le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Mainasoroa, Soroa, région de Difa. et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Maktar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlita, de Kirozirine, Bouza, Tamaske, Maina Magaria, Maya Yayi, birnin gawre Dorbel, Isai Chers auditeurs, le forum du studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat, est aujourd'hui consacré à la recrudescence de conflits intercommunautaires dans la région de Difa. Nous sommes sur le plateau de la radio Mangari de Maïna la radio partenaire du studio Kalangou pour euh, développer ce thème. Nous avons le privilège de recevoir comme invité l'honorable chef de canton de Maïna l'honorable Kachal Gasso Kachal Kachal chef du canton de Mainosoroa, qui coffre plus de 200 euh, villages. Honorable chef de canton, euh, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également euh, Magasso, maire de la commune urbaine de Mainosoroa. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Ousmane Kachalou, directeur de la COFODEP et en même temps acteur de la société civile. Ousmane Kachala, Bonsoir. Dans un premier temps, nous allons échanger sur les sources et les formes des conflits communautaires identifiés dans la région d'Edifa. Dans la deuxième partie, nous parlerons des conséquences des conflits dans une région en proie à une crise sécuritaire. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, nous allons essayer de proposer quelques pistes de solutions pour une coexistence pacifique entre les différentes communautés de la région. Chers invités, avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter le président du conseil régional euh, de la région de Difa, Mayrou Malam Ligari, qui revient sur euh, les conflits communautaires dans la région de Difa. On l'écoute. Nous sommes actuellement en train de développer une thématique avec euh, l'ONG CARE à travers le projet Niger Espoir sur les conflits communautaires. Donc actuellement, le Conseil régional est là-dessus. Et nous sommes en train de les sensibiliser. Nous avons déjà commencé. Et nous pensons que vraiment ces questions-là, en tout cas, vont être traitées avec euh, beaucoup d'attention et Inch'Allah nous allons proscrire euh, cela. Avez-vous identifié les causes réelles de ces conflits euh, communautaires Vous savez, les conflits autour des ressources, c'est des conflits autour des ressources partagées. Soit c'est autour des points d'eau, soit c'est une question de pâturage. Et nous, déjà, comme nous maîtrisons un peu quand même eh, ces éléments-là de conflit, donc nous sommes en train d'apporter donc les solutions qu'il faut. Nous sommes en train de les sensibiliser et ils nous écoutent. Et nous pensons que eh, ces conflits-là peuvent être circonscrits. Retour à présent sur le plateau du studio de la radio Mangari de Mainasoroa, radio partenaire du studio au Kalangou. Déjà meurtri par les atrocités de Boko Haram, la région de Difa est aussi confrontée à des conflits communautaires. En effet, depuis un certain temps, les communautés Peul et Boudouma, qui ont toujours cohabité ensemble, s'affrontent. Certains groupements Peul se sont même constitués en ministre d'autodéfense. Honorable chef de canton de Soroa, quels sont les types et les sources de ces conflits qui surgissent entre les communautés ici euh, à Mainosoroa et en général dans la région de Difa Merci beaucoup. Donc, euh, en ce qui me concerne, je peux parler des cantons de Mainosoroa. En toute sincérité, il y a trois types de conflits. Il y a d'abord le premier conflit, le plus grand même conflit, je peux dire, c'est entre agriculteurs et agriculteurs et le second conflit entre agriculteurs et éleveurs, et le troisième conflit entre éleveurs et éleveurs. bon, ça on a aussi souvent des conflits, mais pas tellement fréquents, comme entre pêcheurs et éleveurs, etc., etc. Donc vraiment, voilà ce qu'on a comme type de conflit. Et vous savez, tous ces conflits sont liés pratiquement souvent aux terres de culture, aux terres pastorales et puis aux points d'eau. Donc, euh, les premiers cas d'espèce entre agriculteurs et, agriculteurs Donc, les flux fréquents, c'est la limite ou bien la terre. Donc, que deux, les, deux, personnes peuvent euh, dire qu'elles sont tous euh, propriétaires de ces champs et le a. Bon, et puis, c'est des choses souvent, on a qui a, duré pendant longtemps. Donc vous savez, dans les temps, il n'y avait pas d'écrit, les gens se font confiance, et puis par exemple, les sages, un peut donner à l'autre, et puis ça, en parler aussi euh, à leur descendance. Et maintenant, c'est même ça prend du temps et ça, ça devient un conflit. Parce que celui qui a vu son père travailler, et il ne sait pas par comment son père a obtenu. Mais il va se dire qu'il est légitime propriétaire. Et c'est de ça, maintenant, il faut pas procéder à des vérifications. Oui, mais honorable, est-ce que ces genres de conflits sont fréquents euh, dans, la région de Ménosoroa Oui, mais c'est même ce qui c'est ce qui est fréquent chez nous. Mais seulement, bon, ici, au moins, on a toujours sensu les gens à l'idée de tolérance. Parce que, bon, comme ce qui s'est passé ailleurs, il n'y a pas jusqu'à présent l'écoulement de sang, tout ça, non. C'est pas ça, mais c'est des conflits. Donc il faut gérer Attends. Honorable chef de canton, comment gérer ces genre de conflits Non, les genres de conflits se gère souvent, c'est juste selon la conciliation. Dans les cas échéants, maintenant, il faut les envoyer en justice pour maintenant finir, ouvrir un dossier et puis faire des recherches approfondies par les juges. Et c'est comme ça qu'on met fin à ces conflits. Et chacun accepte ce que le juge dit, lui dit. Donc on considère les juges les derniers ressorts. Donc vraiment, voilà. Et chez nous, même souvent avec la conciliation, souvent, donc il y a la pratique du Coran. Les serments coraniques nous règlent tout le, le, deuxième type de conflit Bon, le deuxième type de conflit, ça c'est entre agriculteurs et éleveurs. C'est juste, il y a toujours il y a des conciliations pour réparation. Donc souvent, on demande maintenant, on amène les deux parties à accepter. Donc vraiment, voilà, l'individu a causé des dégâts les, les qui a causé des dégâts à l'agriculteur. Maintenant, on va demander à l'agriculteur, il peut dire voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'il estime avoir, parce que voilà les dégâts et lui il peut évaluer. Mais maintenant, entre nous aussi, on voit maintenant lui aussi le lever peut parler. Maintenant, on va les amener vraiment au centre pour dire qu'ils vont vraiment accepter telle chose. Et s'il accepte les deux parties, c'est fini. Nous, maintenant, il fait, il fait la réparation et puis nous, on dresse PV. Ce deuxième type de conflit est aussi fréquent ici dans la région oui, de Ménesoroa Exactement, exactement, exactement. C'est même plus fréquent que les autres, si vous voulez. Ah ouais. Parce qu'à chaque saison hivernale, souvent, même dans les jardins pour les cultures de contre-saison, on assiste à des situations comme ça. Et le troisième type de conflit Bon, le troisième type de conflit, ça, c'est entre éleveurs et euh, éleveurs, euh, d'une part, et puis éleveurs et villageois de l'autre part. Parce que ça, c'est le point d'eau. C'est le point d'eau. Mais pas les espaces pastoraux, mais c'est le point d'eau. Que ce soit un point d'eau villageois ou un point d'eau pastoral, là, réellement, on assiste à des conflits entre éleveurs et éleveurs. C'est pour abréver, donc vous voyez, il y a des gens qui ont vraiment en quantité euh, les animaux. Donc s'ils viennent, il y a des gens qui prennent euh, trop de temps sur un puits ou un point d'eau. Donc euh, surtout, le problème c'est les puits. Ce n'est pas les marigots ou bien les arbres forages. Ça, ça ne cause pas tellement de problèmes. Mais c'est les puits qui nous causent des problèmes. Honorable chef de canton, vous avez plus de 200 villages sous votre coupe. Donc, ça revient à dire que l'honorable chef de canton est appelé chaque jour à faire des déplacements au niveau des villages pour régler des conflits. Non, non, non, non. Pas forcément. Souvent, même pendant une période, ça ne m'arrive pas quatre. Ça ne m'arrive pas quatre fois. Parce qu'on a responsabilisé. À chaque niveau, il y a une structure. Dans chaque village, il y a le chef de village. Il a le même pouvoir de conciliation que nous. Et on a donné la latitude à chacun. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va gérer les 200 conflits. Ce n'est même pas possible à un seul individu. À défaut des chefs de village, maintenant, il y a les chefs de secteur qui servent aussi d'intermédiaire entre les chefs de village et nous, chefs de canton. Donc, il y a un groupement de villages, on, fait, regroupe quelques villages, on nomme un chef de secteur qui représente les chefs de canton. Donc, à défaut d'avoir une conciliation entre les localités, maintenant on fait appel à un chef de secteur. Et lui, il va, Inch'Allah, ça, ça, prend fin. Et s'il s'agit maintenant des populations de deux secteurs, les deux chefs de secteur peuvent aller. Quel est le degré de tolérance de, de vos populations, honorables Bon, en tout cas, pour le moment, Dieu merci. On a demandé à chacun que personne ne se rende justice. Et réellement, les gens ont accepté. Et ils ont toujours fait preuve. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. À chaque fois, il y a réellement le conflit, bon, les gens viennent au moins auprès du chef de village. Et le chef de village tente la conciliation. Et la plupart, ça a, réussi. Donc, rare, ceux qui viennent au niveau de la chefferie. Donc c'est ce qui fait en sorte que réellement, aujourd'hui, les degrés ou les niveaux de tolérance est au beau fixe. Honorable euh, Kachalou Gassou, Kachalou, chef de canton de Mainosoroa, si cette situation de conflit persiste, est-ce qu'elle ne servira pas de tremplin pour les ennemis de la paix, qui sont les terroristes ou les groupes armés qui cherchent la moindre opportunité pour euh, se réaliser Non, non, non, ça vraiment, je ne le pense pas et je ne peux pas aussi le dire. Ça n'a rien à voir parce que l'autre, c'est un conflit extrême. Et ici, vraiment, c'est un conflit à bas niveau. Et jusqu'à présent, ici chez nous, si vous prenez Maine, les cantons de Maine couvre une superficie de 9600 km. Donc vous voyez même, et c'est scindé en deux zones. Il y a la zone pastorale et il y a la zone de culture. Donc actuellement, la zone de culture n'est même pas occupée à 30%. Donc c'est le problème d'espace qui pousse à des problèmes de conflit. Donc ça veut dire que les gens ont suffisamment d'espace pour euh, cultiver En tout cas, les gens ont suffisamment d'espace pour cultiver. Honorable, quelle a été la contribution des leaders d'opinion de la région ou bien de la commune euh, de Ménosoroa, de votre entité administrative, pour euh, la coexistence pacifique De toute façon, tout ce temps que nous sommes, on se voit. Il y a la mairie, il y a la préfecture. À chaque niveau, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème. S'il y a une entente, entre les institutions, c'est que sur, à la base, là, on ne peut pas avoir de problème. Vous savez, le problème, c'est quoi C'est quand on met souvent les sentiments ou la complaisance dans une gestion que les choses vont tourner autrement. De toute façon, celui qui a raison, non, on lui dit qu'il a raison. Et puis maintenant, même en conciliation, vraiment, voilà ce qui c'est, et puis c'est comme ça. Et s'il y a les problèmes souvent qui opposent, par exemple, l'agriculteur éleveur, le maire est là, lui, il nous a toujours aidé à tracer quand même les couloirs de passage et à matérialiser. Donc, vous tellement, on n'a pas tous les problèmes. Et même si ça va, c'est une question de servitude, ça passe dans les champs de quelqu'un. En tout cas, il n'y a pas ce problème. Tout le monde accepte et tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Même traditionnellement, les choses sont gérées ici. C'est pourquoi, réellement, vous ne trouvez pas des choses, des, conflits violents. Là, on va te dire qu'il y a des, morts, tout ça. Là. Il n'y a pas de morts. Comme ailleurs. Euh, comme ailleurs, oui, Dieu merci. Monsieur le maire de la commune urbaine de Menosoroa, Koukouma Gasso, tout récemment, un forum euh, sur la paix a été organisé à Engelbeli. Selon vous, euh, pourquoi ces conflits entre les différentes communautés L'organisation de ce forum euh, fait suite vraiment à un état de lieu que cette zone était en train de vivre depuis fort longtemps. Parce que c'est une zone vraiment santé pastorale à majorité. Et il y a plusieurs ethnies qui sont dans la zone, par exemple les Peuls, les Arabes Mohamed, les Kanouris, et même les Peuls, parce que même euh, le bien fondement de la tenue des Sion, c'était entre populations d'Engelbeli et de Fulatari. Donc, ces forums ci ça a été... ces populations, c'est presque les mêmes familles. C'est les mêmes familles, mais qui n'ont pas vraiment les mêmes objectifs et ils avaient vraiment des petits conflits qui jadis vraiment et les gens n'ont pas pu s'approprier à temps pour les gérer et qu'ils ont remarqué que ça risque de prendre une certaine ampleur. Et c'est là qui a fait que bon, les honorables députés du département, et précisément eux de la zone d'Engelbel, Dieu merci, chacun des deux groupements a un député. Donc ils ont eu l'initiative maintenant d'organiser ce forum vous, vous, parlez de l'amido Moumouni Harouna, le député national au titre de la région de Maïna Oui, et, le second, Maman Lawali, mhm. oui, du Ils sont tous de l'un de Ngelbeli et de l'autre de Flatari. Donc vraiment, c'est un forum où vraiment à l'instant même, nous et même les organisateurs, on s'était dit que vraiment c'est un, forum qu'il faut répéter presque chaque année parce que c'était une réussite. Les gens ont eu à se parler face à face. Tout ce qui se faisait dans le temps, dans le couloir, qui faisait vraiment obstruction à la coexistence pacifique, maintenant les gens les ont sortis au clair, on a débattu et tous ceux qui sont aussi régis par des textes et lois euh, Dieu merci, en tout cas par rapport au code rural, en tout cas tout le monde a été édifié et maintenant les gens vont démarrer une nouvelle vie vraiment de coexistence. Et vraiment, nous avons tous salué l'organisation de ce forum. Déjà, les uns et les autres sont en train de se demander pour l'organisation d'un deuxième forum de Saint-Jacques. Et nous-mêmes, cela vraiment euh, nous a motivés vouloir encore organiser en dehors de celui d'Engelkori, on s'est dit que pourquoi pas aussi dans le canton de Ménesoroa aussi, ce forum vraiment euh, devrait être organisé parce que nous avons en tout cas à peu près les mêmes réalités. Donc euh, ceux du canton de Méné, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu prendre part maintenant au forum de Donc c'est l'occasion aussi de chercher vraiment à organiser dans le canton de Méné aussi pour qu'il y ait vraiment euh, de cette coexistence pacifique entre les gens. Monsieur le maire Koukoumagasso de la commune urbaine de Mainosoroa, avec le déplacement massif et forcé des éleveurs euh, qui se trouvaient euh, aux abords de la Komadougou et dans les îles euh, du lac Tchad, est-ce que ce surpeuplement de cheptel ne cause pas un problème euh, réel entre les agriculteurs et ces éleveurs venus de, ces localités et les éleveurs se trouvant euh, sur place dans le canton ou bien la commune euh, de Soroa. Effectivement, cela peut poser vraiment des problèmes parce que nous sommes en tout cas confrontés à une rareté des points d'eau dans la zone pastorale. Comme l'avait dit l'honorable, pour en tout cas, et le territoire, nous n'avons pas de problème mais c'est le point d'eau qui fait que aujourd'hui la petite ressource que nos éleveurs euh, locaux sont en train d'exploiter, quand il y a un surpeuplement d'animaux, cela va engendrer immédiatement des problèmes. Et nous, nos éleveurs sont soumis à un règlement parce que tous les points d'eau sont gérés par un comité de gestion. Aujourd'hui, ces venants régionaux veulent utiliser ces points d'eau n'importe comment et ce qui ne peut pas aussi être accepté par les locaux. Donc, cela peut en tout cas engendrer et vraiment euh, amener des problèmes. Donc, il faut continuer vraiment à euh, entreprendre des séances de sensibilisation à la rentrée ou bien parce que le plus souvent, nous ne contrôlons pas l'arrivée de ces gens. Parce que comme la frontière est vraiment large, on ne peut apprendre que quand il y a, quand il y a des petits ou bien quand il y a des petits problèmes, c'est moment. parce que si au moins il y a un passage et que nous contrôlons, parce que ce qui est même dangereux, normalement ces animaux qui nous viennent d'ailleurs, nous allons même savoir leur état de santé avant de les laisser vraiment eh, s'infiltrer dans notre territoire et cohabiter avec eux. C'est pour eux qu'ils sont porteurs de maladies ou maintenant ils aussi, la, la peste bovine. Oui. Parce que de l'autre côté, euh, les animaux ne sont pas vaccinés comme chez nous, où l'État veille à la vaccination des animaux à chaque année. Mais c'est ça que vraiment nous déplorons le plus souvent. Et même les éleveurs ont compris aujourd'hui, en dehors même des points d'eau, à cause de cette maladie, ils ne veulent pas cohabiter avec des animaux ou bien des étrangers, et avec des animaux dont ils doutent vraiment leur état de santé. Monsieur le maire, sans vous couper, nous savons que euh, ces éleveurs qui viennent euh, d'ailleurs n'ont pas le même état d'esprit que les éleveurs euh, locaux. Que faites-vous pour un peu prévenir d'éventuels conflits Le plus souvent, au moment de leur passage, nous sommes alertés par les villages par lesquels ils traversent pour passer. Dès lors où on apprend vraiment ce mouvement, des fois où nous alertons aussi notre service technique d'élevage Vraiment pour dire que vraiment il y a un, mouvement d'animaux d'un côté à euh, l'autre côté et de les vérifier. Mais le plus souvent, nous n'arrivons pas à contrôler leur passage. C'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Sinon, partout où ils viennent aussi, il y en a qui sont assez corrects, où ils se confient au chef de village, tout cela parce que rien que pour partager les pandos, en l'occurrence les puits, parce que les puits c'est pour les villages. Donc quand vous venez, donc vous êtes obligé vraiment de, quoi, euh, de négocier vraiment euh, l'exploitation de ce point d'eau avec la population locale, en l'occurrence avec les chefs de village. Souvent ils peuvent trouver le terrain d'entente. Maintenant, il y en a qui, en venant, c'est comme c'est un point d'eau, donc euh, on, peut l'utiliser à bon ancien comme un marigot, donc sans passer maintenant par l'autorité locale ou par un comité de gestion qui gère ce point d'eau. Ils peuvent maintenant se permettre de l'utiliser à leur guise et cela, ça va poser des problèmes. Ousmane vous êtes le secrétaire permanent de la commission foncière départementale euh, du maine loire Vous êtes aussi acteur de la société civile. Quelle est votre contribution dans le cadre du règlement ou bien de la prévention de ces conflits euh, communautaires Ok, merci. D'abord, en tant que secrétaire permanent de la COFADEP, il va de soi, c'est un organe vraiment où on apprend, et on sensibilise les gens à gérer les conflits. Comme l'ont si bien dit le canton et monsieur le maire, nous n'avons pas assez de compris de ces genres qui sont des violences très particulières comme dans les autres est-ce que c'est parce que les gens se connaissent ou bien les gens ont une culture de la paix Bon, tout, ceci, il y en a. Il y a la culture de la paix et aussi vraiment notre, notre euh, coexistence est pacifique entre nos communautés, ici dans, cette zone, dans le, canton de Ménesora ou la commune de Ménesora. Et en dehors de ça, il y a une grande sensibilisation. Donc euh, la commission foncière, la chefferie traditionnelle et la mairie, nous ne sommes pas là toujours assis. Nous avons toujours sensibilisé nos populations par rapport à ces ressources partagées. Donc euh, c'est là la force euh, qui fait que nous n'avons pas assez de problèmes euh, de gestion des conflits ici dans notre euh, canton de Ménosoroa. On va revenir vers vous, l'honorable chef du canton de Ménosoroa, Kachal Gasso Kachalla Kachalou. Le samedi 25 juin dernier, une réunion a regroupé à Kabalewa les autorités régionales et les représentants des différentes communautés en vue de trouver une solution définitive et durable à ces genre de conflits. Et quelles sont les décisions importantes prises à l'issue de cette rencontre honorable? moi, je n'ai pas pris part parce que je ne suis pas invité. Ça a concerné euh, eh, Bosso, kabloa et eh, Ngingimi. Donc, ça n'a pas touché Vous avez les échos de, Bon, je ne peux même pas dire que j'ai les échos parce que juste même moi, c'est un chef de canton qui m'a appelé. Il dit qu'ils sont vraiment au niveau de kabloa ils vont tenir une réunion sur la sécurité. Et puis là-bas, bon, c'est les deux communautés et les conflits eh, violent entre les deux communautés. Donc, vous voyez, nous, heureusement, et Dieu merci, jusqu'à ces jours, en tout cas, on n'a pas euh, de conflits de ce genre-là, des conflits meurtriers. Donc, réellement, nous, ça ne nous a pas concernés. Alors, honorable chef de canton, euh, quels sont les impacts de ces conflits communautaires sur la quiétude sociale et les activités habituelles dans la région en domaine roi et en général dans la région de Difa Bon, je peux vous parler en général dans la région de Difa. En tout cas, ce n'est pas bon parce que l'impact est très négatif. Aujourd'hui, on ne peut pas dire être fils de la même région et ne pas s'entendre, ou bien se tuer entre nous. Donc l'impact est très négatif en particulier dans le département de Méné, en tout cas, on n'a pas ces problèmes. Et Dieu merci, et nous souhaitons pas. Et nous ferons tout pour que des situations comme ça ne se présentent pas. On fera tout de notre possible. De la préfecture à la mairie, de la COFODEP à la chefferie, en tout cas, on fera tout. Et récemment, j'ai été financé par euh, Niger Espoir à travers le conseil conseils régionaux. J'ai sillonné les 13 secteurs de Méné, plus les cinq groupements. Donc vous voyez, on a fait le tour, les quatre groupements plutôt, de Mellari, Folatari, Ambram et Ngelbeli. Donc avec les responsables de la COFODEP. Donc on est parti, on a donné la sensibilisation. Et à chaque fois, Dieu merci, parce que ce qui freine un peu aussi le conflit, il y a aussi la situation de laisser la gestion des choses et des conciliations ou des jugements dans les affaires champêtres. Donc à partir d'avril, tous ceux qui viennent, on dit bon, allez, vas-y, tu attends, après tu reviens quand c'est le moment. Donc ça là, vraiment, ça a beaucoup contribué aussi à freiner les conflits. Donc vous voyez, et puis les gens l'acceptent. Donc si les gens sont vraiment bien éduqués et ils acceptent, ils tolèrent, donc je ne vois pas les problèmes. En tout cas, pour mener, on fera tout pour que des situations d'ailleurs ne se présentent pas. Inch'Allah. Ousmane Kachalou, vous êtes le directeur de la COFODEP et acteur de la société civile au titre du canton de Ménosoroa. La médiation entre communautés initiée par les autorités et même certains élus locaux depuis juin 2016 a été saluée, mais n'a pas contribué de façon significative à apaiser toutes les tensions. Pourquoi, selon vous, l'approche n'est-elle pas bonne moi, à ma connaissance, hein, vraiment, cette approche a été très bénéfique parce que, comme l'a si bien dit l'honorable chef de canton, avec le financement donc de la, euh, du conseil régional, nous avons sillonné tous les villages du canton de Ménesora, plus les quatre groupements. Nous avons fait des sensibilisations par rapport à la vie pacifique. En ce sens, j'ai bien vu que les populations ont très bien compris et ont salué cette initiative du chef de canton. Ils ont été, si vous voyez, très très réconfortés et ils sont très contents. Ils ont recommandé à leur chef vraiment de se concerter et de faire des ces de, regroupements à chaque fois. Parce que ils ont dit que le chef de canton est là, les chefs de regroupement sont là. Ils ont dit qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un administré commette des erreurs ou bien un administré eh, fasse quelque chose qui est illégal. Donc, en ce sens, moi, je vois que au niveau du, euh, département de Ménesoroa, Dieu merci, toutes ces sensibilisations, les gens sont, ont compris, ils sont en train de venir pour faire leur papier donc, euh, de sécurisation. chacun a compris. Et par rapport au couloir de passage, par rapport euh, à l'exploitation de, certaines, certains espaces, tout ceci, nous avons expliqué, nous avons sensibilisé les populations avec le chef de canton, la mairie, et nous avons vraiment, nous, de notre part, ici à Ménesora, Dieu merci, nous avons suggéré de toutes ces situations-là. Monsieur le maire, euh, Koukou Magasso, quelle est la responsabilité de la mairie dans le cadre de la prévention de ces conflits ah, La responsabilité de la mairie, donc, euh, dans le cadre de la prévention de ces conflits, est grande parce que aujourd'hui la mairie doit prendre toutes les dispositions, surtout par rapport aux textes et règlements de la République, auprès des services euh, techniques déconcentrés de l'État, en tout cas pour véhiculer tous ces éléments d'information par rapport vraiment à la gestion de conflits ou par rapport même au code rural, ça, nous sommes tenus de le faire à chaque fois. Et nous le faisons à chaque fois, en tout cas avec euh, les chefs de canton, le préfet, tout ça. Parce que c'est la meilleure façon de prévenir en tout cas, ce genre de situation. Si au moins la population, l'administré et l'administration sont au même niveau de compréhension des choses et au même niveau de formation, donc vraiment personne ne peut se permettre de commettre vraiment certaines euh, défaillances pour jusqu'à engendrer vraiment des conflits. Donc pour ce faire, nous approchons les services techniques comme nous approchons aussi des partenaires au développement qui nous financent certaines euh, actions de sensibilisation ou même euh, le balisage des couloirs de passage ou la délimitation des heures de pâturage, ainsi de suite. Donc, vraiment, nous sommes, euh, au niveau de la mairie pour prévenir toute cette situation. Monsieur le maire euh, Magasso de la commune urbaine de Ménosoroa, quel a été l'apport des médias dans le cadre de la prévention de la gestion euh, des conflits éventuels dans la commune ah, les médias, ça, c'est notre euh, premier porte-parole parce que aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'autorité locale coutumière, nous sommes limités par nos mouvements. Maintenant, nous mettons à profit les médias, en l'occurrence la radio communautaire qui est à notre disposition. Mangari FM. Mangari FM, en l'occurrence. En tout cas, pour diffuser toutes nos informations, toutes nos séances de sensibilisation, en tout cas l'endroit de la population. Parce que c'est elle, notre vraiment porte-parole. Avant que nous, nous entreprenions des missions sur place, déjà l'écho est parvenu à la population par le biais vraiment de la radio Mangari. Donc, euh, Dieu merci. En tout cas, c'est un outil de développement, ça c'est incontestable. Et vraiment, surtout pour nous, euh, les communes, où vraiment nous sommes limités par les moyens pour pouvoir vraiment entreprendre. Parce que, vous savez, rien que le canton de Méné-sur-Roi, il y a plus de 200 villages, on a des groupements autres. S'il nous faut passer dans chaque village pour donner une information, ou pour tenir une séance de sensibilisation, ça sera difficile ou même euh, pratiquement pas faisable. Donc, euh, merci vraiment à la radio communautaire. Et vraiment, nous sommes très bien servis et nous a servi vraiment comme outil de développement, de sensibilisation, d'information, de communication. Autre acteur non négligeable dans le cadre de la prévention des conflits, honorable chef de canton Kachalou Gassou, Kachalla Kachalou, ce sont certains leaders d'opinion tels que les ulémas. Quel a été l'apport ou bien l'importance des ulémas dans le cadre de la prévention de ces conflits oui, bon, moi je pense que l'apport des ulémas, ce n'est pas seulement dans les cadres même des conflits, mais c'est dans même les cadres de bien-être de la population. Et tout celui qui pense à son bien-être, ce qui est sûr, il euh, va toujours ignorer, il va même mettre de côté les conflits. En tout cas, les ulémas, aujourd'hui, nous appellent toujours à la tolérance et aux bienfaisances. Et partant de cela, souvent, même si l'individu a un cœur brisé, il est obligé de revenir. Donc, vraiment, l'apport des éléments, c'est des apports considérables que réellement nous saluons. Passage. Ousmane Kachalla, vous êtes euh, le directeur de la COFODEP et acteur de la société civile. Quel est l'apport de la jeunesse nous savons que la région de Ménosoroa en particulier, et toute la région de Difa a été confrontée, durement affaiblie par le conflit contre Boko Haram. Quelle a été euh, la contribution de la jeunesse Je peux vous dire que la jeunesse elle a été d'un apport très très important parce que toutes les sensibilisations que nous avons entreprises avec euh, la sécurité traditionnelle et la mairie, nous avons toujours été avec les représentants de la jeunesse et ils ont toujours soulevé haut les flambeaux pour expliquer à leurs pères qu'ils sont les principaux acteurs donc, de, cette société. Donc, ils ont toujours expliqué à leur père qu'il doit rester soudé et on doit se sentir concerné par la sécurité. Donc, ils ont toujours été très, très brillants ils ont toujours été euh, confiants pour aller faire la sensibilisation et aussi euh, arriver à une vie normale. Ousmane Kachalou, est-ce que les structures de jeunesse sont euh, impliquées dans le cadre de la sensibilisation ou bien dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent Ils sont très impliqués. Dans chaque entreprise, il y a la jeunesse. Dans toutes les sensibilisations concernant la sécurité, il y a la jeunesse. Parce que la sécurité, là, c'est affaire d'abord de jeunesse. Parce que ceux qui sont partis vers Boko Haram et autres, c'est la jeunesse. Donc, ils ont compris tout ceci et ils nous ont toujours aidés à sensibiliser donc à tous les niveaux donc la population. Honorable chef de canton, est-ce que les structures féminines sont également mises en, contribution dans le cadre de la prévention des conflits Oui, exactement, exactement. Bon, pas seulement les conflits liés aux ressources euh, naturelles mais aux conflits, par exemple, bon, je ne peux pas dire les conflits en tant que. Bon, si c'est dans l'extrémisme là, maintenant avec les violences et autres là, on a toujours impliqué les structures féminines. Mais dans la gestion des conflits liée à des ressources naturelles. Si ce n'est pas une femme concernée, donc vraiment elle ne fait pas partie. La deuxième partie de ce forum s'intéresse aux conséquences des conflits communautaires dans la région de Difa. Honorable chef de canton, Kachalagassou Gassou, Kachalou, quelles sont les conséquences de ces conflits communautaires pour le développement de la région et du canton du Ménosoroa Bon, je vous dis Dieu merci, jusqu'à présent ces conflits communautaires, on ne les reconnaît pas en tant que tels. Parce qu'ailleurs, c'est vrai, il y a ces conflits communautaires parce que vous avez parlé des communautés Boudouma et des communautés Peul. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu aussi de conflit meurtrier entre une communauté soit arabe et manga, ou bien une communauté manga et pelle, ou bien d'autres entre, les communautés. En tout cas, sur l'ensemble du territoire, en tout cas, on n'en a pas et on ne souhaite pas l'avoir. Mais ailleurs, ça se passe. Est-ce que vos contributions ont été euh, importantes dans le cadre de l'apaisement des cœurs ailleurs Oui, on est obligé, on est obligé, on est obligé parce que ce qui se fait ailleurs, il faut la prévenir partout là où les problèmes se trouvent aujourd'hui, ça peut dégénérer. Les problèmes, si nous prenons le conflit de Boko Haram ou bien la station d'insécurité liée à Boko Haram, ça n'a pas commencé chez nous, mais ça nous a touchés. Donc les autres conflits aussi peuvent être, vraiment, peuvent s'étendre. Donc ça, il faut, il faut éviter. Euh, là, partout là où les problèmes commencent, en tout cas en ma qualité de chef traditionnel, si je peux être utile, vraiment, je vais utiliser tout ce qui est à mon pouvoir pour chercher vraiment à atteindre la situation ou bien à prévenir pas seulement dans l'entité de Méné, même dans l'entité voisine, en tout cas, si je peux être utile, vraiment, je le ferai. Est-ce qu'il euh, y, y, a des situations où on fait appel à vous pour euh, faire valoir votre expérience. En tout cas, ça c'est quand il s'agit des réunions. En tout cas, face à des situations, chaque fois il y a des réunions. On réunit les chefs traditionnels, les, maires, les préfets, par exemple, sous l'autorité du gouvernement, tout ça. Et puis là, maintenant, chacun donne sa contribution. Honorable chef de canton, est-ce que ces tensions entre les différentes communautés ne profitent pas aux groupes terroristes, tels que Boko Haram pas, pas seulement les groupes terroristes, même aux petits bandits, ça profite. Pour les groupes terroristes, d'abord, ça va leur profiter. Et même pour des petits bandits, des coupeurs de routes, tout ça, là, qui se couvrent même de ce nom de Boko Haram, c'est des, situations comme ça, quand même, qui les favorisent. Ah oui, ça, ça va. Tout malfaiteur aujourd'hui, s'il y a un conflit, il, il profite de ce conflit. Ça, c'est clair. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ressortissants de Maïné qui sévissent dans le groupe terroriste Boko Haram Oui, il y a des ressortissants de Il y a des ressortissants de Maïné. Tu sais, il y en a. Il y en a. Mais on est en train vraiment, avec la main tendue de l'État, réellement, on est en train de les convaincre. On est en train de les sensibiliser. Et d'autres sont revenus. Et d'autres sont en voie. Bien que il y a les plus extrémistes qui ne veulent pas venir. Là, nous le savons. On a eu les échos. Mais il y a beaucoup qui veulent revenir. Et puis vraiment, on va toujours les accueillir à bras ouverts. Quelles sont les conséquences de ces conflits au niveau de votre canton Oui, bon, vous voyez, aujourd'hui, la plus grande conséquence, c'est la pauvreté. Parce que, vous voyez, c'est la zone de la Komadougou, c'est la zone la plus riche du département de Méni. Et aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité, en matière de pêche, les gens ne peuvent plus pêcher. L'écriture de contre-saison, qui est même notre pilier de la richesse, on ne peut pas la pratiquer. Donc vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est ça aujourd'hui ce qu'on a comme conséquence. Puis réellement, c'est une conséquence très néfaste. Et ça a beaucoup nuit à l'existence même des individus. Aujourd'hui, celui qui peut, en temps normal, aller cultiver, faire son jardinage, tout ça, obtenir 150 sacs de ripadis, 200 sacs de poivrons. Il a même quitté les lieux de sa résidence. Il est en train maintenant d'étendre la main pour lui donner 50 à 100 kilos. Vous voyez donc ça, c'est une conséquence réellement démesurée. Vraiment des conséquences. Bon, ce ne sont pas, les conséquences ne sont pas bonnes. Seulement, nous prions Dieu que la situation se normalise. Monsieur le maire de la commune urbaine de à Koukouma Gasso, en dehors des populations humaines, est-ce que euh, les conflits communautaires ont des conséquences sur le cheptel Oui, ces conflits ont des conséquences sur le cheptel. Parce qu'aujourd'hui, le cheptel euh, de l'autre côté et même presque décimé. Ce n'est pas suite à une peste. Mais aujourd'hui, avec euh, l'avènement vraiment d'insécurité, les gens étaient obligés d'abandonner tout un cheptel et puis pour se faire sauver la vie donc euh, maintenant, euh, le cheptel est devenu à l'état sauvage, ou même c'est d'autres maintenant qui les exploitent à leur guise parce que les propriétaires légitimes ont fui, certains on les a tués. Donc aujourd'hui, même pour maintenant euh, soigner tes animaux, aujourd'hui tu as un problème si aujourd'hui, par exemple, la frontière du, Niger te permet de passer et que de l'autre côté maintenant il n'y a plus de passage. Le cheftel c'est autre chose. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire Parce qu'aujourd'hui, des fois nous savons aussi, nous assistons à des déficits même fourragés parce qu'on est obligé d'importer, en tout cas, certains aliments bétail. Et maintenant, si cette situation est étrange. Maintenant, il n'y a plus moyen maintenant même de faire cette importation parce que tout est bloqué, tout est parce que certaines importations sont même interdites pour cause d'insécurité. Donc maintenant, donc euh, cela peut jouer énormément, euh, énormément sur le cheptel. Monsieur le maire euh, Koukoumagasso de la commune urbaine de Maine, avec euh, la mise en application de l'état d'urgence, euh, les motos ne circulent pas. Il y avait à un certain moment l'interdiction de l'importation du poivron, produit phare de la région, de votre région. Il y avait aussi l'interdiction de la pêche. quelles sont les conséquences en un mot sur l'économie de façon générale dans la commune urbaine de Maine-Soroa Vraiment, il faut l'appeler comme un même déclin économique parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là qui ont été interdites par la mesure euh, de l'état d'urgence favorisaient vraiment le développement économique parce que la culture du poivron, la pêche, parce que le, poivron, c'est que nous, communément, nous l'appelons l'or rouge, c'est du manga, et qu'on n'en produit plus. Maintenant, c'est fini, ça c'est le déclin total le poisson de mer. Parce que nous euh, avons, y a des fois où on va voir euh, un cortège de 50 véhicules, 100 véhicules chargés de poissons. Et on sait le coût là-bas de l'autre côté chez les voisins et qu'aujourd'hui, tu n'es même pas en mesure d'exporter un petit carton de poisson avec toi. D'ailleurs, tu ne peux même pas aller vers la pêche. Mais si c'est pour aller acheter au niveau des ports de pêche et puis aller les revendre, tu peux plus les entreprendre. Donc aujourd'hui, c'est un chaos total. Parce que les motos et autres, aussi, elles avaient leur sens. C'était des moyens de transport qui favorisait aussi le développement économique. On partait, on va dans tous les marchés, on fait les transports même des marchandises et autres avec les motos. Mais malheureusement, les motos maintenant sont devenus eh, des moyens de déplacement de Boko Haram. C'est interdit. Donc, euh, c'est regrettable. Bon, maintenant pour notre sécurité, Dieu merci, c'est bien qu'on empêche, qu'on euh, la circulation de motos. Ça, c'est pour la sécurité en tout cas. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, donc euh, il n'y a même pas le développement. Donc euh, vraiment. Nous avons accueilli cela, mais c'est pour dire que toutes ces situations-là ont contribué vraiment à anéantir, en tout cas, l'économie de la région en général et celle de vraiment notre commune en particulier. Ousmane vous êtes acteur de la société civile. Comment la jeunesse euh, du canton du Maïna soroa vit le déclin de la vente euh, du poivron, <laughs> de la pêche Comment ils vivent euh, tous ces problèmes Comme la situation l'exige et ces questions de sécurité, ils sont obligés de s'y mettre. Mais sinon, tous ces jeunes que tu vois là, ils sont désœuvrés. Il fallait aux autorités, donc à la sécurité traditionnelle, à la mairie, au département, leur trouver quelque chose à faire. Donc vraiment, ça fait l'objet de, de plusieurs controverses. Mais quand même, comme c'est la sécurité, il va de soi, vraiment, on s'en réjouit. Bon, maintenant, ils sont euh, organisés en structure où la, mairie et aussi les autres, euh, les autres partenaires les prennent en charge pour faire des activités, euh, gagner leur pain. Comme toutes les autres activités, elles aussi ils sont ralentis, mais quand même, avec la bonne volonté du gouvernement et aussi des autorités locales, ils sont quand même en train de se débrouiller. Honorable chef de canton de Meina Sorwa, Kachalla Gasso, Kachalla Kachallou, quelles sont les pistes de solutions euh, à court, moyen et long terme euh, pour euh, le développement et la prospérité et bien sûr la lutte contre les conflits moi, je pense que de toute façon, c'est toujours nous, on est dans l'écart de la prévention. Comme ce n'est pas tellement arrivé chez nous, donc on prévient. Et la seule chose aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, les <clears throat> directeurs de la COFODEP, quand on était parti, les populations ou bien les administrés nous ont vus ensemble avec d'une part les chefs des groupements et de l'autre les chefs des cantons, leur parler. Ils disent que donc, si réellement, il y a toujours une bonne cohabitation, une cohésion entre les chefs, il n'y aura jamais de problème à la base. C'est ça d'abord l'essentiel. Et vous voyez souvent, il y a toujours des petits malins, c'est eux qui poussent les gens à aller vers le conflit. Parce que souvent, quand on dénonce, les gens parlent de preuves et autres. Bon, celui qui fait du mal ne montre jamais, c'est clair. Mais il y a des individus qui aujourd'hui qui se retrouvent dans cette affaire. C'est comme un clientèle pour eux. Donc il faut aller, il ne faut pas accepter tout ça, La donne telle chose, moi je vais témoigner pour toi. Donc maintenant, ils créent la situation de conflit. Et Dieu merci, nous avons eu connaissance de certaines choses et que nous avons vraiment beaucoup freiné. Et là, il faut toujours maintenant renforcer la capacité de la justice. Parce que si vous prenez le tribunal de Maine qui s'occupe de 15 000 km, Maine et Goudoumaria, souvent il n'a même pas un moyen de transport. Et ils sont limités souvent par les moyens. Donc là, en toute sincérité, il ne doit pas manquer pour ce tribunal, par exemple, les véhicules, les carburants, tout ça, pour le bon fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on a vu avec eux, on a eu à mettre fin à beaucoup des situations qui peuvent générer un conflit. Moi, je pense que la mairie fait de son mieux en matérialisant toujours les couloirs de passage et autres. Donc, tout ce qui est source de conflit, là, mais seulement la seule chose aujourd'hui, la responsabilité revient à l'État. Si vous prenez la zone pastorale, il manque beaucoup de points d'eau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on trouve, en faisant plusieurs points d'eau dans le nord, la zone pastorale, tous ces conflits entre éleveurs et éleveurs, ça va finir. Mais les conflits traditionnels entre agriculteurs et éleveurs pour les dégâts, ça, ça ne finira pas. On l'a trouvé et ça continue comme ça. Et on, on va toujours gérer ça comme ça dans notre façon de faire. Et on a toujours réussi à gérer comme ça. Donc là, vraiment, c'est comme ça. Mais on va continuer à sensibiliser tous les acteurs. Et il faut avoir des financements. La fois dernière, je vous avais parlé, Niger Espoir nous a financé. On est parti avec la mairie, la COFO. Et puis, réellement, les gens ont compris. Souvent, c'est l'ignorance qui amènent les conflits. Donc il faut partir, il faut trouver les gens là chez eux pour leur dire que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, voilà comment il faut voir, voilà comment il faut vivre. En toute sincérité, on va encore durer longtemps sans conflit. Ce n'est même pas des c'est des choses qui sont plus faciles, c'est la pratique de certaines réalités. Si on met certaines réalités en pratique, ce qui est sûr, on n'aura pas de conflit. Monsieur le maire Magasso euh, de la commune urbaine de Ménosoroa, vos propositions rapidement. Certainement, vous avez quelque chose à ajouter sur les propos du, de l'honorable chef de canton. Oui, effectivement, surtout, il a fait cas de la justice, parce que nous avons dans ce domaine aussi un petit manquement là par rapport, par exemple, euh, aux juges qui doivent faire le foncier pour les litiges fonciers, là, les juges en structure. Là. Parce il y a des fois où, en tentant même de gérer, peut-être où il y a des situations comme le chef l'a dit, où les juges on va dire que c'est des trucs non-lieux de ceci ou cela, et c'est par rapport au code pénal qu'ils vont faire des jugements comme ça. Et si vraiment il y a euh, cette justice ou bien un représentant de la justice qui gère les fonciers et par rapport au code rural, vraiment, c'est la loi et c'est ça. Aujourd'hui, le secrétaire permanent de la COFODEM, il ne peut pas juger, mais il peut dire qu'il voilà, a tous les textes avec lui. Voilà ça, il peut le dire. Mais quand ça va à un jugement, il faut que aussi le juge, par exemple, qui tranche, ait les mêmes même notion, la même connaissance là que ce qui existe maintenant, comme l'a dit le code rural ou les lois sur les fonciers. Ousmane Kachala, mhm. vos propositions à court, moyen et long terme. Rapidement. Dans tous les cas, en tant que secrétaire permanent de la COFADEV, d'abord, c'est le respect des textes régissant donc le code rural de, la République du Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le respecter parce que quand on ne connaît pas, on ne respecte pas. Donc, il faut comme l'a si bien dit le chef de canton, il faut beaucoup de sens. Il faut sensibiliser la population. Parce que, comme il a dit, c'est à cause de l'ignorance. Ils ne connaissent pas. C'est pas que c'est exprès. Non, non, ils ne connaissent pas. Donc, on va vulgariser, on va avoir, on veut avoir des moyens pour vulgariser donc, les textes du Code rural. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Nous étions avec euh, l'honorable chef de canton de roi l'honorable Lagasso Kachala Kachalou. Nous étions avec euh, aussi Magasso, maire de la commune urbaine ben, euh, du euh, Maine-Soroa. Nous étions également avec euh, Ousmane Kachalagasso, secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP du département du Maine-Soroa. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Merci, au revoir.